le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Il est plus l'heure de votre émission hebdomadaire, le Forum de la presse. Le Forum de la presse, c'est le rendez-vous traditionnel avec nos confrères de la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne pour analyser l'actualité de la semaine qui s'achève. Lundi 16 septembre dernier, les lycéens du Niger ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. À suivre les analyses de nos confrères et le contexte dans lequel intervient cette rentrée. Sur le plan sécuritaire, la lutte contre le terrorisme était au centre du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Ouagadougou au Burkina Faso les 13 et 14 septembre derniers. Enfin, nous terminerons avec cette décision prise en Conseil des ministres de réorganiser le Conseil national de dialogue politique CNDP, une ouverture faite aux membres du gouvernement et aux partis non affiliés. Vous suivrez les commentaires de nos confrères sur cette ouverture du CNDP. Ce soir, nous recevons nos confrères pour discuter de tous ces sujets. Elage Suleiman Mahamadou, journaliste au journal en ligne Niger Inter et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Nous attendons d'un moment à l'autre Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation et à la présentation à Alassane Kouzi Mohamedou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le forum de la presse de ce vendredi 20 septembre 2019. Lundi 16 septembre dernier, les lycéens du Niger ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Cette rentrée intervient quelques semaines après la sortie des résultats globaux peu du baccalauréat qui est de 26,56%. Je commence tout de suite par vous, Elège Suleiman Mamadou du journal Niger Inter. Avez-vous eu l'impression que toutes les dispositions ont été prises pour une année académique stable et prometteuse mm, Bon, je ne saurais le dire euh, parce que à tous les niveaux, juste après la rentrée à l'université, par exemple, on a vu la déclaration de, de, on a entendu les étudiants. Hier, on a suivi la déclaration des fondateurs des écoles privées et instituts. Mm. Euh, donc euh, franchement, euh, je ne peux pas dire que toutes les conditions sont créées pour qu'il y ait une année stable plutôt, mm. il y a des réelles inquiétudes euh, que l'année ne se complique. Euh. Bref, je pense que euh, quand je m'en tiens à ce que j'ai entendu hier par le fondateur des écoles privées, ils il accuse franchement les ministères donc de l'enseignement supérieur secondaire en tout cas et le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Mm de n'avoir pas tenu leur engagement euh, pour euh, le paiement de, de, bourses euh, et autres services donc que les écoles font pour ces étudiants. Mm. Donc c'est dire que de ce point de vue, pour faire court, je ne suis pas sûr que présentement on a vraiment créé les conditions d'une année stable. Issa Madougou, est-ce que vous avez l'impression que, en tout cas, cette rentrée intervient sur de bonnes bases Bon, on peut dire c'est aléatoire puisque l'année euh, passée a été caractérisée par une accalmie tout à fait relative. Il faut le reconnaître vraiment. Mm. L'année 2018-2019 a été plus ou moins stable. Mm. Il n'y avait pas eu assez de remous, de grèves par-ci, par-là. Mm. Les grèves parlaient des différents acteurs, à savoir les, élèves et les enseignants. Mm. Mais au finish, c'était le résultat qui n'avait pas vraiment répondu aux attentes. Parce que vraiment les résultats obtenus au niveau du BPC et du baccalauréat démontrent que le système éducatif nigérien est malade. Et d'ailleurs, ça a été reconnu. Si vous vous rappelez, lors du dernier bilan de la gestion du président Issoufou, hmm. eh, il a été clairement notifié dans le rapport de la Renaissance les sept ans que beaucoup d'actions ont été menées, mais malgré les investissements consentis dans le secteur de l'éducation, c'est là-bas que le problème persiste, qu'il faudrait redoubler d'efforts. Et moi, je pense qu'avec cette nouvelle rentrée, c'est encore des nouveaux défis à relever dans une synergie d'action, tous les acteurs doivent euh, œuvrer ensemble dans la compréhension. Euh, Issa Madougou, concrètement, quelles mesures aujourd'hui il convient d'envisager pour, euh, pour garantir une année stable et pour améliorer ces taux, en tout cas qu'on avait évoqué très faible au niveau des, des, examens du, baccalauréat euh, À mon avis, au-delà de, du matériel qu'on a vu, l'État fait de ce moyen. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces derniers temps, ces dernières années, l'État se trouve dans des difficultés économiques en raison du contexte sécuritaire qui est là, mm. qui a besoin beaucoup d'investissements. Donc, certaines ressources vont être réduites. Donc, euh, c'est pour cela que moi, je pense qu'au-delà du matériel qui a été donné, mm. Qu'est-ce qu'il faudrait créer Il faudrait que l'État et les différents partenaires se retrouvent sur la table de négociation. Il faudrait qu'il n'y ait plus ce tiraillement entre ces parties. Quand il y a des revendications, il faut que les parties se retrouvent, se parlent, s'écoutent et ensemble essayent de définir maintenant une ligne de conduite à, tenir. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est plus grave, à quoi ça sert de faire des investissements s'il n'y a pas de résultats Aujourd'hui, c'est vous l'avez dit tout à l'heure, 26% au bac. Mais c'est vraiment c'est lamentable. On ne peut pas dire que dans un pays où, eh, comme le Niger, où il y a des investissements qui ont été faits, où on compte sur l'avenir, sur l'enseignement supérieur, comment peut-on concevoir que depuis quelques années, on n'arrive pas à franchir le, taux, le cap de 30% Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Le système éducatif nigérien est malade. Mais comment traiter cette maladie hum. Il faudrait que l'État accepte à ce que se retrouve sur la table avec tous ses partenaires, discuter au-delà des revendications corporales. Essayer d'ensemble de définir maintenant des stratégies, comment redresser le niveau. Est-ce qu'il faudrait revoir maintenant la manière d'enseigner Parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'il y a aujourd'hui comme problème. Hum. Ce sont les programmes d'ajustement structurel qui ont plombé l'éducation en changeant la nature du programme puisque les gens sont dans l'éducation de masse. Mm. Les institutions de Bretton Woods, c'est eux qui nous ont mis dans cette situation. Et en nous mettant dans cette situation, en même temps, c'est l'avenir de nos pays qui sont en train d'être hypothéqués. Parce que dans un pays, tant que l'éducation ne marche pas, on ne peut pas espérer un développement quelconque. Et ces ajustements structurels datent d'il y a 20 ans maintenant. C'est les impacts. ce temps-là, ce sont les on impacts. Continue, vous pensez qu'on Oui, c'est les impacts aujourd'hui. Quand vous voyez, on pas pu. Euh, aucun État ne peut. Puisque se mettre sur pied. Aucun État ne peut se, dérober de, mm. ces situations. Mm. Puisque les institutions de Bretton Woods ont imposé ces programmes, nos pays ont accepté cela. Il fallait faire des ajustements. Chaque fois, quand vous n'êtes pas étonné, quand vous ouvrez la télé ou bien quand vous vous écoutez la radio, mm. les journaux, mm. chaque jour il y a des ateliers par rapport tel partenaire dans l'éducation, tel partenaire de l'éducation. On regroupe les gens, on se demande mais attends, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là mm. Et pourquoi il y a toujours les problèmes qui existent On dit qualité, on a une panoplie de programmes qui est là, paquet minimum accès sur la qualité, quelque chose comme ça. On ne sait même pas quoi Il y a euh, éducation pour tous par-ci. C'est nécessaire, non Mais c'est nécessaire quand il y a le résultat. Mm. Mais du moment où aujourd'hui tout le monde est inanime, même l'État, hein. mm. c'est pour cela, c'est un, un, mouvement d'ensemble qui peut mouvement relever ce défi. Bien. Nous donnons la parole à Elhadj Suleiman Mamadou. Aujourd'hui, quelle sera en tout cas euh, la, la, piste principale ou les pistes principales qu'il faudra euh, en tout cas suivre pour pour euh, résorber cette situation Justement, il y a, de plus en plus des résultats non, en tout cas, qui ne répondent pas aux, comme attentes. La, la, la oui. toute la crise scolaire vient du fait qu'effectivement, à un certain moment, euh, il y a un dictat de ces bailleurs de fonds justement qui ont voulu faire en sorte que leur vision sur l'école soit imposée et on a vu l'échec patent de cette euh, en tout cas perspective. Mm. Maintenant, je pense que il appartient à l'État effectivement à tous les partenaires euh, donc de l'école euh, véritablement de concevoir une école véritablement nigérienne euh, parce que euh, beaucoup d'experts euh, dans le domaine de l'éducation le disent, une école doit avoir une finalité qui tienne compte vraiment de, de, la réalité, en tout cas du contexte euh, des besoins du, pays. Mm. Euh, donc, euh, de ce point de vue, c'est un débat à faire. Nous avons, au niveau du texte, vraiment, on a une loi d'orientation du de, de, système scolaire, tout ça. Mm. mais ça ne va pas parce que, vous voyez, entre autres défaillances, en un moment, on a envisagé, souvenez-vous, le double flux, des mesures vraiment, franchement, qui ont eu comme résultat la baisse du niveau euh, des, des, des, élèves. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Et on a vraiment des experts en, éducation. Donc, et les partenaires qui sont là, c'est donc, il appartient à l'État véritablement de réunir tout le monde pour qu'on puisse vraiment euh, décider en fait quelle orientation, euh, quelle école nigérienne en tout ah cas par rapport aux défis du pays. Tout à l'heure, Issa Madougou disait que l'État, en tout cas, effectivement, doit euh, rencontrer, toutes les parties doivent se parler, doivent être sur la table des négociations. On a vu souvent que euh, les dialogues aboutissent, aboutissent souvent euh, à des accords et à des engagements, souvent qui ne sont pas respectés. Et cela débouche le plus souvent à des, à des, grèves, à des perturbations de l'école, absolument. je pense que le dialogue social euh, dans n'importe quel domaine est très important. Euh, parce que souvent, c'est quoi euh, Lorsque l'État, sa faiblesse, lorsqu'il n'a pas les moyens d'honorer ses engagements, la tendance à, en fait, à opter pour la méthode forte, donc le refus du dialogue, il y a une attitude, un comportement, un discours responsable à tenir. Ce que vous me demandez, je n'ai pas ça maintenant, mais voilà, voilà, on peut travailler de telle façon pendant, on prend toujours des engagements. Toujours. Mais effectivement, c'est le refus systématique euh, du dialogue. Même, et souvent C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas les moyens, euh. est-ce parce qu'il n'y a pas les moyens, il faut bloquer le, système Je pense que c'est là aussi la, la, la, la façon, la façon de faire la politique aussi. C'est-à-dire que considérer que une situation n'est jamais définitivement donc euh, réglée, il y a certainement, dans les États comme le Niger, en tout cas, où, franchement, euh, les moyens sont limités, mais les, besoins sont énormes, énormes. Mm. Donc, il va falloir savoir justement privilégier le dialogue social. C'est comme ça, effectivement, on peut avancer. Et parce que justement, les partenaires aussi aiment, leurs enfants, ils, ils, ont des enfants à l'école, ils aiment leur pays. Donc aussi, quand on leur tient un discours responsable, c'est qui ne, en fait, pas du tout l'État aussi, de prendre des engagements réalistes, mm. mais aussi entre-temps, elle trouve des moyens alternatifs pour faire avancer les choses. Bien. Oui, ça m'a Vraiment, ce que Alagé Suleiman est en train de dire, hmm. c'est cette notion que les gens devraient avoir d'abord. Hmm. Parce que c'est, on parle de la nation. Hmm. Quand on parle de l'éducation, c'est du développement de la nation qu'on parle. Donc, ce qui veut dire que les gens sont appelés à être responsables, à être sincères dans ce qu'ils sont en train de dire. Vous êtes sur une table de négociation. Vous ne pouvez pas prendre des engagements sachant bien que vous avez des moyens limités. Et au finish, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Vous ne cherchez pas une solution vous êtes en train de plus enfoncer le problème d'une manière compliquée où même vous, au finish, vous serez incapable de trouver une porte de sortie. C'est ça. Il faut que les gens Donc, soient. Euh, prendre, euh, privilégier le dialogue social, prendre des engagements réalistes. Pas seulement venir sur une table et discuter. C'est ce que là j'essaie d'expliquer. Hmm. vous, savez, euh, parfois, moi, quand on dit, on accuse le gouvernement de ne pas tenir ses engagements. Mais la faute, c'est le ministre qui était là, sachant bien aujourd'hui la réalité. Il sait combien il lui était alloué. Il faut, il faut parler sincèrement avec les gens. Bon, franchement, euh, on a vu de qu'est-ce que vous revendiquez. Mais voyez-vous, nous, nous ne pouvons pas soutenir tout seul. Les points que nous pouvons faire, voilà, voilà. Et ça, c'est dans, dans la limite de nos actions. Maintenant, de votre côté, nous, on va vous demander de faire un sacrifice, puisqu'il s'agit de la nation hmm. nigérienne. Voilà, il faut, c'est des exemples. ça arrive quand les gens sont responsables dans leurs actes et dans leur comportement. Je suis sûr que les solutions ne manqueront pas quand on veut résoudre un problème. Mais quand les gens viennent avec des langues de bois, sachant bien, c'est pour cela que moi, je pense que, à un moment, je l'ai toujours dit, le président, il se fout. Il y a des gens qui ne facilitent pas le boulot. C'est pour cela que nous lui demandons aussi parfois de sanctionner. Au-delà même de la sanction de, chasser la personne du gouvernement, que des poursuites soient engagées pour votre trahison. Parce que quand vous prenez certaines mesures, Vraiment, c'est lamentable. Bien, nous allons passer à un autre sujet, ça, si vous voulez. Bien, <laughs> voilà. sur le plan sécuritaire, la lutte contre le terrorisme était au centre du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'était les 13 et 14 septembre passés. La CDAO a décidé de se doter d'un plan d'action d'un milliard de dollars pour la période 2020-2024 afin d'améliorer la lutte contre le terrorisme. Nous prend le journal Jeune Afrique, les modalités de ce plan d'action prioritaire de 5 ans seront entérinées lors du prochain sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'OCDAO, prévu en décembre à Abuja, poursuit Jeune Afrique. Alors, Issa Madougou, quelle lecture faut-il faire de cet engagement de la CDAO euh, Au sortir, quand euh, j'avais écouté le communiqué final de la rencontre de Ouagadougou, je me suis dit enfin enfin le réveil de nos chefs d'État. Mm. Parce qu'il n'y a pas euh, qui est mieux placé pour sauvegarder son bien ou bien le protéger. Ce n'est pas quelqu'un qui va le venir le faire à ta place, c'est toi-même. Le fait de comprendre qu'aujourd'hui la question sécuritaire ne peut être prise en charge que par nous-mêmes, dans un premier temps, avant que les autres puissent mettre la main dans la poche, je pense que c'est un pas vers l'avant. Mm. Mais ce que je n'ai pas encore aimé, le fait qu'on dit que la décision va être entérimée en décembre, non. Les bandits n'attendent pas. Ça continue. Mm. Aujourd'hui, il y a tous ces 15 pays. Il n'y a pas un seul pays, moi je n'en connais pas, qui n'a pas été touché par ces problèmes d'insécurité. Mm. Au moins, même si ce n'est pas des terrorisme, quand même, vous faites, vous faites face à un grand banditisme et qui endeuille des familles. Mm. Des voyous, aujourd'hui, la circulation des armes, quand euh, en 2012-2013, quand le président Issoufou Mamadou et d'autres présidents de la sous-région s'alarmaient par rapport à la situation de la Libye pour dire, écoutez, ce qui est en train de se passer en Libye risque d'avoir un impact sur la survie de nos États. Les gens ne les ont pas écoutés. Aujourd'hui, la circulation des armes est très inquiétante en Afrique de l'Ouest. Mm. Les armes circulent comme la nourriture circule. Aujourd'hui, c'est même de la libre circulation pour les trafiquants des armes. Mm et même ici, tout récemment, c'est aux portes de Niamey que dans un bus, on a pris des armes. Les armes circulent comme ça, donc aucun pays n'est épargné. Le fait que les chefs d'État aujourd'hui reconnaissent qu'il faut de l'action. Et mais que ça doit commencer par, eux-mêmes. Moi, je pense que c'est un pas de l'avant. Le, le fait d'inviter encore le Tchad et la Mauritanie à rejoindre le lot euh, des 15 pays de la CDAO pour constituer ce fonds et ensemble dans une synergie d'action d'essayer de développer des stratégies pour contrer le terrorisme et l'insécurité qui fait face, euh, dont fait face nos pays, moi je pense que c'est une bonne chose. Mais ce qu'il y a aujourd'hui encore, il ne faut pas que euh, on traîne les pas. Aller en décembre, moi je ne suis pas d'accord normalement la décision a été prise. Est-ce qu'on a besoin de retourner encore dans son pays pour réfléchir Parce que nous, des pays comme le Niger, le Mali, le Tchad et autres, déjà qui sont dans le bloc du G5 Sahel et le Burkina, nous sommes en train de souffrir de Mais cette la situation. C'est quand même grand, 15 hein, pays membres. 15 pays aujourd'hui. Il faut réfléchir aux modalités de paiement de, quelle modalité? de, constitution de ce fonds. Mais si c'est le fait que nous, on devrait faire on a besoin d'une longue réflexion. Mais pendant que le fait d'aller tendre la main, faire des tables rondes à l'extérieur, les gens sont prêts pour ça. Non. Moi, je pense que ici, c'est une question de souveraineté qui se pose. Quand on, on donne, il y a certains chefs d'État, on sait qu'ils sont parce que c'est en Afrique, hein, c'est en géopolitique. Il y a d'autres qui ne facilitent pas la tâche à certains. Quand on sait que chacun joue sa, euh, sa partition selon ses propres intérêts, mm. on a vu aujourd'hui le cas de Boari. Boari est en train de faire en sorte que même les accords que, qui, que les pays ont signés sont en train de le voler en éclats. À cause d'un banal contrôle euh, de, frontières, il est en train... Madougou, ce n'est pas le sujet Non, c'est en fait, c'est la CDAO. Quand je suis en train de dire, c'est la sécurité qui a mm. été mise comme base pour aujourd'hui prendre cette mesure. Mm. Et depuis, ça, on craignait cela. Mm. Quand depuis son premier mandat, les gens se sont dit que la communauté économique des États va prendre un coup dur au niveau de l'intégration à cause de Buhari. Parce que tout le monde sait que Buhari va prendre des engagements et qu'il ne veut pas les respecter. Pourquoi Parce qu'il est toujours dans cette politique de vivre en autarcie. Quelqu'un qui se suffit à lui-même, le protectionnisme. Donc aujourd'hui, ce plan, ce fonds qui va être mis en place et doit être salué et que nos chefs d'État aujourd'hui doivent faire un effort encore. En décembre, comme c'est la date qui a été donnée, on suppose qu'en en décembre, quand c'est chefs d'État en tout cas, définitivement. Donc, oui, euh, oui. Quand ils vont se rencontrer, les gens vont directement sortir l'engagement dans les brefs délais, peut-être deux, trois jours, de décaisser leur contribution. Bien, Elhaj Suleiman Mamadou, est-ce que c'est votre lecture ah, Il dit enfin oh. le réveil des chefs d'État africains. Et comment est-ce que vous, vous, vous, avez salué en tout cas cette... Euh, euh, cette Justement, je, je pense que c'est tout à fait normal ce qu'Issa a dit, et parce que c'était une illusion de penser que les autres, je veux dire les Occidentaux, pourraient faire euh, assurer notre sécurité à notre place. Il y a des exemples partants. Souvenez-vous de cette euh, force mixte euh, qui a été euh, mise en place. Il y a le G5 Sahel où on a fait un plan d'investissement prioritaire. Tout cela en comptant essentiellement sur les, sur les, autres. Certes, les pays devraient contribuer, je crois, à 10 millions de, d'euros ou de dollars, je sais mm. donc, c'est dire que, franchement, cette option et souvenez-vous, par exemple, combien euh, des pays, le Tchad comme le Niger, ont été épuisés, ils ont épuisé leurs ressources nationales euh, dans ce domaine de sécurité en comptant sur l'appui qui ne vient pas de, ses partenaires. Hmm. le Tchad a vécu ces dernières années une, crise économique euh, très très grave parce que tout simplement aussi le, secteur sécuritaire, le budget du pays a pris aussi un, coup très dur. Hmm. C'est dire que franchement, j'ai euh, je suivais la semaine passée, à l'occasion de ce sommet, le président du ministère de l'Intérieur nigérien, Bazo Mohamed, effectivement, faire une réflexion pour dire qu'en réalité, mais pourquoi nos États ne vont pas mutualiser leurs efforts dans le sens où, au lieu d'attendre ce qui ne vient pas, c'est-à-dire qu'en matière de sécurité, comme Israël l'a dit, on ne doit pas attendre. Mm. Aujourd'hui, c'est même cela, chaque fois, chaque fois qu'on se retrouve à Parce que les forces du mal profitent souvent de ces vides, souvent profitent les échéances, Et entre-temps, les terroristes, ils gagnent du terrain, ils gagnent des armes, en fait, ils s'organisent. Hmm. Euh, vous voyez ce qui fait qu'en réalité, on ne doit pas juger sur le, sur, le temps, sur le temps. À, à, savoir que, au moins, par exemple, au niveau des, des États, que chaque euh, pays, par exemple, le Niger et le Burkina, on n'a pas à attendre avec le Mali. Et vous savez, vous avez, vous avez, vu comment le président Issou a posé la question de Kidal. Ça, fait mal, effectivement. D'aucuns pensent que même, en fait, ça doit gêner euh, le, Mali. Mais je pense que même le Mali vit cette, cette réalité où voilà un pays qui n'assume pas sa pleine et entière souveraineté parce que cette partie du, du, Mali est contrôlée par des gens qui sont appuyés par d'autres partenaires. Hmm. Donc, je pense que, à l'évidence, euh, en tout cas la sécurité par procuration, c'est-à-dire que compter sur les autres pour la sécurité, c'est vraiment inopérant. Alors, il va falloir justement, comme il l'a envisagé, comprendre vraiment le tour de le coin, au moins en attendant que, les que les moyens viennent. chaque, chaque, pays a, une armée, donc il faut que nos armées, en tout cas, qu'il y ait une vraie mutualisation des de, efforts, une vraie, en tout cas, stratégie militaire, en tout cas au niveau de son major en tout cas, qu'elle arrive vraiment à au moins assurer la sécurité, en tout cas, des partout au niveau des de frontières. Quelle est votre opinion euh, au sujet des chances de réussite de cet engagement pris à l'issue de ce sommet des chefs d'État extérieurs euh, L'engagement, euh, c'est que, en tout cas, tant qu'on compte sur nous, sur le financement de, de nos États, mais lorsqu'il est déterminé par l'appui des, partenaires extérieurs, franchement parlant, je ne suis pas sûr que euh, c'est pour demain. Est-ce que, euh, est-ce que aujourd'hui vous êtes, est-ce que tous les pays, en tout cas qui sont par exemple membres de la CDAO, sont conscients et euh, faciliteront cet engagement En tout cas, ne, ne, serait-ce qu'au niveau du discours. vous savez, serait-ce niveau du discours. Vous savez, en fait. c'était pendant le sommet de l'UOMOA que, par exemple, le président Ouattara et Macky Sall qui voyaient par exemple le, G5 Sahel comme, comme étaient exclus. Hmm. Et parce qu'effectivement, le terrorisme n'est pas de quartier, c'est toute la, la, la, la, région qui est, concernée. Donc en réalité, c'est tout à fait normal de considérer que il faut que tout le monde, en tout cas au niveau euh, donc, euh, africain, donc au niveau de l'UMOA, en tout cas au niveau de faire euh, appel aux pays comme déjà le, Tchad et la Mauritanie sont déjà intégrés au niveau du g 5 Sahel. Hmm. Donc je pense que ce n'est pas en soi mauvais pour qu'on puisse euh, véritablement régler globalement le problème, effectivement, que tout le monde soit, impliqué, que tout le monde puisse apporter ses moyens. Mais moi, mon inquiétude, euh, ce n'est pas que ce soit aussi l'occasion hmm. d'un problème de leadership, en tout cas, euh, que les gens mettent leur ego en avant pour considérer qu'en tout cas, qu'il n'y ait pas de l'efficacité. C'est un peu ça, moi, mon inquiétude. L'autre aspect, par exemple, aussi du problème, ce que je pense que le président Issou a insisté régulièrement que au niveau des Nations Unies, il faut effectivement que la force euh, en tout cas, et l'appui vraiment des Nations Unies pour qu'on puisse véritablement. Parce qu'en Parlant du G5 absolument. Ce hmm. euh, c'est que c'est très compliqué. Et aujourd'hui, à considérer par exemple notre situation ici au niveau avec le, Mali, hmm. nous avons parlé l'autre fois. La situation est très, très compliquée. Autrement dit, les moins qu'il faut ce n'est pas vraiment, on n'a plus de, discours en tout cas à, faire. Il est question de voir comment, euh, véritablement sur le terrain, euh, sécuriser les populations. Lorsqu'on vient prendre les animaux, les, éleveurs en tout cas, les faire transférer par, la frontière, vous voyez que franchement là, mais qu'est-ce qu'on demande à ces éleveurs de faire mmh. Donc on est en train, si, vous voulez, euh, créer encore, euh, aggraver la, situation. Parce que ces éleveurs effectivement, finissent aussi ne peuvent que, euh, euh, fait, recourir à la violence pour en fait, survivre. Hmm. Euh, Issa Madougou, quelle quelles sont, en tout cas, vous, votre analyse par rapport aux chances de réussite de, cet engagement des chefs d'État de la CDAO Je commencerai aussi par le premier point de Alain Il ne faut pas que les gens mettent leur ego en avant pour voir si l'engagement arrive à se concrétiser, c'est comme si ils sont en train de faire euh, la publicité pour quelqu'un d'autre ou bien pour un autre pays ou bien un chef d'État. Parce que aujourd'hui, il faut pas se leurrer. Hein. Moi, je, j'essaie de lire entre le comportement, entre les lignes par rapport au comportement de certains chefs d'État africains. Voyez-vous, quand vous prenez cet ensemble hmm. qu'est la CDAO, 15 pays, 15 destins communs, hmm. qui a été un temps un modèle pour les autres régions de l'Afrique au regard de ce qu'on a pu accomplir comme acquis, la libre circulation des personnes et de leurs biens, le, passeport unique. Vous voyez, on a pu mettre une force en, place et Komog, qui a fait ses preuves au Libéria, au Sierra Leone. Euh, mais d'un tel cas, on a vu une génération de chefs d'État qui arrivent, qui aujourd'hui, quand on a entamé les grands chantiers de l'Union, qui aujourd'hui ne sont pas d'accord avec ces chantiers-là. Prenez le cas de. J'arrive. Hmm. Prenez le cas de l'écho. Aujourd'hui, la monnaie, euh, unique. Il y a des présidents comme les nôtres qui pensent qu'il faut créer l'écho, mais que ce ne soit pas un prolongement. Il y a d'autres du CFA. Il y a d'autres qui pensent que non, il faut que ce soit comme les Ouattara et Macky Sall. Il faut pas, il faut nommer les gens hmm. qui sont en train. Aujourd'hui, regardez combien d'années la task force s'est réunie. Espère se respecte, travail sur travail, conférence sur conférence, pour pouvoir dessiner la voie à suivre pour arriver à ça. Et voyez-vous, en un rien de temps, les allers et tous les agissements de ces deux présidents qui sont en train de compromettre ce projet. Et c'est par rapport à leur comportement que moi je pense que les chefs d'État doivent prendre des mesures. Parce que Macky Sall, quand il dit qu'ils sont exclus, mais Macky Sall, c'est normal que moi, je suis entièrement d'accord le fait qu'il n'ait mm. pas été associé dans le G5 Sahel. Comment se fait-il que le Macky Sall organise une conférence internationale sur la sécurité en Afrique de l'Ouest sans associer nous qui vivons ces réalités. Aucun des cinq pays de l'Afrique de l'Ouest n'est associé à ce forum Vous, est-ce que vous doutez, doutez, des chances de réussite de ce, de ce plan de. Les deux qui me font peur dans cette affaire sont Macky Sall et Ouattara. Ouattara, aujourd'hui, lui, il est même obligé d'adhérer à cet engagement, puisqu'il y a les attaques de Grand Bassam. Ça a démontré que les terroristes peuvent frapper partout. Et qui sont partis Ce sont les Mourabatines qui sont partis faire ces attaques-là au Grand Bassam. C'est qu'aucun pays n'est épargné. Aujourd'hui, c'est ce leadership-là qui aveugle certains chefs d'État africains qui sont en train de saboter tous les efforts qui sont en train d'être consentis dans l'espace. Moi, je ne cache pas mes mots. Je le dis clairement parce qu'il faut que les gens soient conscients qui est qui, qui ne fait pas les choses pour qu'on puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, ce modèle que l'union des pays de la CDAO, mm. dont d'autres pays et d'autres régions se sont inspirés pour asseoir des bonnes bases on se connaît, la SADEC a pris combien de fois, combien d'exemples par rapport à euh, l'Afrique euh, euh, australe, mm. par rapport à des politiques ou des stratégies développées par la CDAO pour réorganiser sa structure. Aujourd'hui, on voit que pendant qu'on est en train de, de dépasser ce cap pour arriver à un stade assez appréciable qui va améliorer d'une manière significative les conditions de vie mais des populations. Ces en tout cas, ces difficultés peuvent être surmontées Évidemment, puisque c'est des engagements. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le chef d'État, euh, les chefs d'État, à leur tête le président en exercice qui est Mahmoud Youssoufou, hmm. y compris les espérés, les différents commissaires doivent travailler ensemble. Et il faut que on prenne, parce que c'est un mouvement d'ensemble. qu'on arrive à convaincre. Euh, non, quand les gens prennent, il faut les amener à respecter leur engagement. À Ouagadougou, ils ont pris l'engagement. Hmm. Ils ont pris l'engagement. Maintenant, on dit entérimer. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin, même si vous, si vous êtes responsable. C'est tout à l'heure on parlait de la notion de responsabilité dans le dialogue. Quand vous êtes responsable et sincère dans ce que vous êtes en train de faire, du moment où vous dites, vous disiez, je suis d'accord avec cette démarche, c'est-à-dire que vous avez entériné. Alors, nous allons passer au dernier sujet. Euh, le temps passe, malheureusement. Nous allons passer au dernier sujet, euh, la réorganisation du Conseil national du dialogue politique, CNDP. Le Conseil des ministres du mardi 10 septembre dernier a examiné et adopté un projet de décret portant réorganisation du CNDP. Cette réorganisation consacre la représentation du gouvernement au CNDP à travers le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur et de la Justice avec la possibilité de faire appel à tout membre du gouvernement en cas de besoin. Aussi, cette réorganisation confère la qualité de, de membre du, du, CNDP au groupe des partis non affiliés. Et là, quelle est l'appréciation que vous faites de cette nouvelle donne Bon, je crois que peut-être que c'est la suite du, du, précédent dialogue euh, politique où effectivement les non-affiliés euh, avait euh, en tout cas posé quelques revendications dans ce sens. Euh. Maintenant, dire que cela, en tout cas bien avant, je sais que le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre est déjà d'office le, le président du, du CNDP. Hmm. tout cela, c'est bien, mais en fait, le vrai problème, le vrai débat, à mon sens, euh, est-ce que véritablement ce CNDP, il répond vraiment à ses objectifs, en tout cas euh, par le passé, euh, les gens arrivent à dialoguer mais franchement, il faut reconnaître que euh, ces dernières années, ça ne marche pas. Ça ne marche pas non seulement de mon point de vue. Parce que la vocation du CNDP, c'est de pouvoir réunir des, partis politiques auto, euh, protagonistes, opposés quand il y a quelques difficultés, donc qu'ils puissent euh, trouver un consensus pour avancer. Malgré les Mais je me rends compte que ces dernières années, ce consensus n'existe pas. Il y a l'opposition fait la chaise vide et le pouvoir aussi a tendance véritablement aussi à se conforter euh, par, par sa majorité. Donc, bref, je pense que le plus important, comme son nom l'indique, le CNDP, c'est vraiment, du dialogue euh, politique. le dialogue, euh, donc c'est la recherche de consensus. Parce que vous savez, en fait, même la philosophie du CNDP, souvent, elle gêne certains acteurs sociaux parce que c'est comme si les partis politiques s'entendent euh, souvent. Sur le dos. Ils mettent entre parenthèses les textes de la, de la République mm. pour vraiment trouver un consensus. Et parce que c'est eux qui décident, euh, à savoir le pouvoir et l'opposition, mm. ça, marche parce que simplement, souvent c'est vraiment au détriment de certains aspects de, vraiment de la loi fondamentale. Euh, même si par ailleurs. on, on, considère que les gens ont tendance en tout cas à laisser faire. Mais moi je pense que euh, le plus important, ce n'est pas de de ce qu'on a besoin, c'est que, le, la, en tout cas, la structure vraiment puisse euh, euh, vraiment répondre, à, sa fonction, vraiment de dénouer certaines situations quand il y a crise, parce qu'il devrait être un instrument de prévention en réalité de, de, de conflits de conflits politiques. Pas, de, pas seulement de gestion. il y a des partenaires, par exemple, tels que la, la, francophonie, le NDI, qui accompagnent, qui sont très expérimentés mais je me suis rendu compte que malgré leur présence, parce qu'il faut quand même reconnaître, euh, c'est un rappel important, hein, en 2016, nous avons eu la chance qu'il y ait élection grâce à la médiation de la francophonie. C'est eux qui ont fait la médiation pour qu'on puisse s'entendre sur le fichier électoral. Et cela, comme il faut le saluer. Donc cela veut dire que ces partenaires-là, ils doivent jouer leur rôle, ils doivent effectivement être occupés parce qu'ils soient expérimentés. Il faut aussi de la bonne volonté par, en tout cas, les partis politiques, la majorité comme le, Comme, comme, comme Sinon, franchement, autant vraiment euh, ne plus en parler vraiment qu'on passe à autre chose. Euh, euh, parce que, bon, lorsque le CNDP est là et qu'on n'arrive pas vraiment à trouver un consensus vraiment des questions élémentaires, hein, je pense que cela est de nature à inquiéter, franchement. Issa Madougou, est-ce que cette réorganisation euh, qui, fait une ouverture, en tout cas euh, pour les membres du gouvernement, de pouvoir être entendus ou de pouvoir intervenir au Conseil national du dialogue politique et une ouverture pour, les, pour le groupe des non-affiliés. Comment vous, vous appréciez cette euh, ouverture Bon, pour les non-affiliés, ça a été une de leurs revendications parce qu'ils voulaient avoir cette reconnaissance, euh, même dans le code euh, qui régit, si je me trompe pas, c'est ça l'intitulé, le code des partis politiques, euh, qu'il y ait cette reconnaissance. Donc, c'est une de leurs revendications et ça a été accepté. si vous vous rappelez, le dernier conseil de dialogue politique, la réunion qui s'est tenue au palais de Congrès, dont l'opposition n'a pas participé. Euh, euh, le jour-là, il a été question également de revoir euh, ce format mm. du CNDP pour que ça puisse prendre en compte toutes les parties prenantes, les composantes de majorité et non, affiliées. Pour les membres du gouvernement, c'est bien normal. Moi, je pense que vous ne pouvez pas prendre, venir discuter entre politiciens par rapport, parce qu'on dit Conseil national de dialogue politique. Mm. Ce sont les acteurs de la scène politique qui se retrouvent. Nous ne pouvez pas venir discuter sur un sujet en écartant peut-être le ministre qui gère euh, le portefeuille et vous voulez prendre des décisions parce que c'est le consensus qu'il faut chercher autour du problème. Mais la question aujourd'hui, ce n'est pas le fait de faire des ouvertures ou bien de modifier les statuts. Il faut que le CNDP puisse fonctionner normalement et remplir sa mission. Aujourd'hui, la situation dans laquelle se trouve le, CNDP est euh, en train de donner raison à beaucoup d'acteurs qui pensaient depuis que c'était un syndicat des politiciens qui se retrouvent dans la salle de banquet de la primature pour parler intérêts politiciens, pas des intérêts du peuple nigérien. Mm. Alors, le CNDP mm. n'est pas ce cadre. Mais aujourd'hui, comme on a vu ses limites, pour des questions sur lesquelles, même dans des fadas, les gens arrivent à s'entendre. À plus forte raison, ici, où le problème engage aussi des risques pour le pays. Les gens n'arrivent pas à s'entendre. Moi, je pense que. Ah, est-ce qu'il faut comprendre, Issa Madougou, est-ce qu'il faut comprendre aujourd'hui que cette, cette nouvelle mesure, cette nouvelle réorganisation du CNDP n'apporte pas une plus-value, en tout cas euh, dans, euh, la, dans, le, dans, la, poursuite de l'objectif initial de. Quelle plus-value si la chose ne fonctionne pas Comment on peut parler de plus-value Aujourd'hui, le CNP est bloqué depuis combien de mois Les gens n'arrivent pas à s'asseoir, sincèrement, se regarder entre eux et de comprendre que il y a aujourd'hui, moi, avant, je, suis parmi les gens qui adorent, qui adulaient. Je, je même vénère ce cadre parce que je me dis, si les gens peuvent se retrouver, parler entre eux, c'est un instrument qu'il faut vraiment pérenniser. Mais à la limite, on est en train de voir ce que certains ont dit, il y a un premier ministre dans ce pays qui n'a jamais dirigé pour ses propres pinces parce qu'il dit, selon ce que euh, ses proches ont rapporté, que ce, cadre-là n'est pas un cadre qui discute de l'intérêt national. C'est un cadre qui discute des intérêts des, partis, politiques. politiques. Donc aujourd'hui, je suis, je me suis rendu à l'évidence que il a effectivement raison. Si les gens ne peuvent pas, aujourd'hui, regarder la question du processus électoral. Qu'est-ce qu'on veut d'un processus électoral Que ça soit inclusif et apaisé. Vous n'avez pas cette, euh, impression mm, J'ai dit c'est ce qu'on veut. Mm. Mais au regard de ce que les gens sont en train de faire, qui ne veulent pas dialoguer entre eux, ce qui veut dire que les gens ont d'autres dessins. <laughs> C'est ce qui est malheureux. Moi, je pense que mm. il faudrait que des questions qui engagent l'intérêt national, il faut que les gens arrivent à se faire ce sacrifice et à faire des concessions, pour que ce consensus puisse prévaloir afin de regarder dans la même direction. Mais on a beau faire euh, des, ouvertures, on a beau remanier euh, les textes du CNDP, tant que le CNDP n'arrive pas à se réunir intégralement avec toutes les parties prenantes, moi je ne pense pas qu'on peut parler de plus-value. Bien. Et là, je, Suleiman Mahamadou, euh, est-ce que pour vous aussi, vous pensez, comme Issa, que cette réorganisation, euh, en tout cas, euh, ne contribue pas à, 100% à, cet, objectif recherché que le, le, consensus autour, en tout cas, des questions d'intérêt national non, il est question plutôt d'attitude et de comportement des acteurs qui sont censés être porteurs disposés au dialogue. Euh, euh, je rappelle que, par exemple, pendant le dernier CNDP qui a, où l'opposition avait participé, hmm. euh, ils ont mis un comité ad hoc qui était censé travailler sur le code électoral, sur le code électoral qu'ils ont même eu un règlement intérieur pour qu'ils puissent maintenant, les questions sur lesquelles ils s'entendent, avoir consigné. et maintenant, les questions litigieuses, maintenant, ont aussi se consignées pour donc transmettre à la plénière pour trancher. Mm. Mais très malheureusement, et la politique, elle est faite de passion. Il y avait beaucoup, vraiment, certaines questions qui, par exemple, l'article 8, mm. il était vraiment euh, sujet de beaucoup, beaucoup de, passion. Mm. Et entre autres, franchement, euh, cet article-là fait partie, je pense que la partie euh, donc opposition a voulu que le comité ad hoc et ce pouvoir donc euh, de trancher ce débat à ce niveau et ce n'était pas donc euh, l'assentiment du goût des autres de la majorité qui mm. pensent que cette question est hautement politique il faut la soumettre à la plénière et très malheureusement euh, ne sont pas compris donc l'opposition est partie euh, finalement, vous voyez, je veux dire qu'en réalité, ce n'est pas élargir euh, le CNDP qui est important, mais c'est l'attitude, la disposition au dialogue. Euh, créer les conditions du dialogue et que aussi les esprits soient disposés à dialoguer. Hmm. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Bien. Et, quand, quand, les gens parlaient, beaucoup d'observateurs parlaient de la faillite de la classe politique ici, de la conférence nationale. Un temps, ils disent que non, nous, nous sommes les, les, éclaireurs. Nous avons jeté les jalons, les bases de l'enracinement de la démocratie au Niger. Et aujourd'hui, cela démontre que quand ils ne peuvent pas se réunir, ils ne peuvent pas se faire des concessions entre eux, opposition et, la majorité. Ce qui veut dire que c'est cette classe politique qui est en faillite. Ils ont donné raison à des gens aujourd'hui. Il faudrait que le peuple nigérien aussi prenne, euh, qu'au sein même des structures politiques, qu'on commence à un renouvellement Bien. de génération. Et Il faut que les gens prennent leurs responsabilités, changer cette génération parce qu'ils ne sont pas capables de s'entendre pour leurs intérêts au sein des formations politiques. Tous ceux qui sont engagés, prenez vos responsabilités, changez la génération, car les Nigériens ont besoin d'autres têtes au sein même de ces mêmes formations politiques. Et c'est ici que prend fin le forum de la presse d'aujourd'hui. Nous étions en compagnie de El Suleiman Mohamedou, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Présentation à la scène Kouzi Mamadou, volet technique assuré par Hussein Isaka. Je vous rappelle le rendez-vous hebdomadaire du programme des jeunes demain samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues, suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, le forum en Hausa sur l'éducation des enfants handicapés et dimanche en Zarma sur le même sujet.